de, de Wi-Fi, donc de port USB, climatisé, mais 100% électrique, avec une capacité, en tout cas, d'exploitation d'à peu près d'une journée. Donc c'est pour dire que c'est des bus performants. Et ce projet important qui va transporter environ 300 000 personnes par jour, cela voudrait dire qu'à terme, la mobilité au niveau de Dakar, la région de Dakar, en tout cas, aura trouvé euh, une réponse euh, appropriée avec cet investissement important de l'État du Sénégal, avec l'accompagnement de ses partenaires financiers, la Banque mondiale, euh, donc la BI et aussi d'autres partenaires qui accompagnent l'État du Sénégal dans cette, dans cette dynamique. Ce que j'ai pu constater aujourd'hui, c'est une satisfaction totale, puisque les équipes ont travaillé depuis plusieurs années et nous sommes pratiquement arrivés au bout du tunnel qui va permettre l'exploitation euh, du BRT. Il faudrait que les populations s'approprient de cet outil important de transport. Euh, naturellement, donc, le avec euh, Dakar Mobility qui est en charge de l'exploitation travaille à sensibiliser davantage à travers les médias, à travers la communication, les populations pour que qu'on puisse préserver cet outil pour qu'on puisse l'accompagner de telle sorte que demain qu'on ne connaisse pas de difficultés particulières relativement à cette notion d'appropriation de, ce bien public. C'est un bien. ni euh, mais tamit prévoir et euh, voir de circulation Merci de l'accueillir. nous allons suivre ensemble l'exécution de l'hymne national. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, distingués invités, ce 14 janvier marque donc l'inauguration officielle du bus rapide transit. Vous avez suivi donc les différentes séquences de cette journée, la restitution technique au dépôt de Gadaï, le voyage inaugural effectué par son Excellence à bord du bus rapide transit et dans les quartiers desservis par le BRT et nous sommes à vous réunis ici à la place de la Nation pour le dernier acte de cette journée d'inauguration. L'oberté, on va le rappeler, l'ambition de transporter au quotidien 300 000 passagers jour dans un pouvoir dédié, sûr et rapide. Nous devons bien à son excellence et merci de le remercier chaleureusement pour ce projet. Ce mérite donc quelques notre hommage. Et pour démarrer cette cérémonie, nous allons inviter l'artiste Bidou, de son vrai nom, Ami de Salle, qui chante de sa d'or le Berthier. Merci de l'accueillir. daanu digoon njiit dootul mel ni yow ana ñi ne ko def ñi taxaw ne mënu

ndax dama gëm lépp li nga xam ni moom la taxawal bés dina ñëw réew mi neexar neex ba weesu fii Sénégal sunu gaal jox leen te mën sunu gaal jox leen te mën come for them. Hein. Nous remercions l'artiste Midou Amidou Salle de son vrai nom pour cette belle chanson dédiée au bus rapide transit Liberté qui dessert 14 euh, communes sur un tracé de 18,3 km. Mesdames, Messieurs, nous avons donné également la parole aux usagers du BRT. Que pensent-ils de ce projet innovant Alors, réponse dans la vidéo que nous vous proposerons de suivre. J'ai été très impressionné quand j'ai vu le BRT là. J'ai passé une dizaine de minutes en m'arrêtant pour regarder. Moi, je pense qu'on va gagner beaucoup plus de temps. ndax jógee Grand Yoff dem Guédiawaye dafa xawoon a jafe actuellement nag moom bu lii paree ak jàmm moom coono du am. ñun ñi nga xamante ne euh, dañoo am ay problème ci ay tànk gis nañ ne prévoir nañ pour que suñu mënee bëggee bouger euh, mën nañ dugg ci tranquillement ci bis euh, électrique yi sans problème. vraiment dafa commencé wul daw rek moo tax mu ngéen gis nii may jël taxi mais su fekkente woon ne commencé na déjà dinaa ko jël ba fi ma bëggoon a dem vraiment. waaw berte bi rafet na macha allah. BRT moom njëriñ ñëpp la waaw parce que boo xoolee day gën a yombal dama dëkk bi boo naree dem daxaar nga jël tata nga def si yoon deux heures temps nga jël BRT def trente mille wala quinze mille moo gën surtout ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ dañuy xëy yéeg a wàcc des fois am livraison wala affaire yu noonu. waaw BRT bi moom instant yi moom arrangé ñu trop trop trop parce que ñun ñii dafa changé ñu am as ba ah position ñun ñëpp BRT bi nañu ci dimbale ñu am confort bi ñu soxla. franchement kontaan nañ trop. mën nañoo jël BRT bi comme que moo gën a gaaw ñu jël ko dañuy arranger pour ñu kii nii teel école bi pour ñu bañ a nekk en retard. c'est confortable et euh, au niveau de la ponctualité ils disent que c'est chaque 5 minutes. Donc euh, c'est top, surtout au niveau des embouteillages, pour ceux qui doivent aller au boulot ou bien au cours. Euh, ça permet de ne pas être en retard. Quoi. Je suis au Sénégal, ça fait presque 5 ans. Et nous, Sénégal, au Sénégal, le gouvernement, le arrangé nañu boo xëyee di gaaw dem te doo sonn si yoon bi. dina promouvoir Sénégal émergent bi arrangé na ñu bëri. BT moom boo ko gisee moom vraiment amoon nañu importance parce que suñuy dem jàng mën nañu koo jël. tasaay pare saay day fees ñu jël ci BRT bi dem population bi dañu fas yéene góorgóorlu bàyyi grève di toj yeeg yooyu noonu. BRT noon no fuɗɗiri ni no feewi aɗon wawi haade mais mboɗo sikki tan affaire nde fuɗɗimi yaade berte o fuɗɗimi yaade transport o tawi ji beeteɗe ɗi 46 minutes ɗi gay taxaw amoo benn problème kon gàcce nga laama suñu président son excellence Macky Sall ñun ñu dëkk Guédiawaye ba Parcelles Assainies banlieue bi yëpp ñun ñëpp la amoon njëriñ ñun suñ jugee war a ñëw ci marché bi dinañu sonn lool ndax wiiri bu métti taf-taf fi nga bëgg a dem di nga fa dem ci jàmm ñëw ci salaam loolu moom ñu ngi leen sant bu baax côté sécuritaire il va falloir beaucoup communiquer pour population tous les dangers y nekk ci BRT on s'est posé beaucoup de questions comment traverser BRT mais ça ça devient de plus en plus clair. BRT bi nag li mu électrique dafa non seulement permettre permettre circulation de wàññeeku non seulement si nous des a gaaw. ñun ay kaar lañ dañ jël waaye dugg BRT normal Alors nañu quoi. non mais BRT c'est propre c'est nickel c'est beau.

par rapport à cette pollution euh, vivre à Dakar et euh, respirer un bon air c'est une lu nous a fait. donc ci loolu si lañ créer projet bi dinañ décongestionner dañ créer d'autres voies yoo maintenir projet de daf koy en compte pour permettre à la population sénégalaise vraiment de se déplacer et dans un temps et dans un record parce que le temps c'est de l'argent. Le temps c'est de l'argent pour parler du bus rapide transit. Mesdames, Messieurs, c'est ce que vous avez vu dans cette vidéo les Sénégalais qui nous parlent du bus rapide transit, des bus 100% électriques, Wi-Fi à bord, respect des normes de l'environnement. C'est donc le BRT et dès demain, il sera opérationnel. Nous retrouverons les équipes de Dakar Mobility aux commandes. Et pour démarrer les allocutions, je vais demander à nous rejoindre sur scène le président de Dakar Mobility. Merci d'accueillir Monsieur Stéphane Volant. Excellences, Monsieur le Président de la République, cher Monsieur le Premier ministre qui nous regarde probablement à l'autre bout du pays, Mesdames et Messieurs les ministres, chers Mansour Faye, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, mes chers collègues de Dakar Mobilité, vous qui aurez bientôt l'honneur d'opérer le plus beau BRT du monde et qui portez fièrement ce soir sa tenue. Mes chers compatriotes, avec une mention spéciale pour mes frères Lébou, vous dont le territoire est à l'honneur ce soir, mesdames et messieurs, chers invités, vous, mes chers clients du BRT, qui changera bientôt votre vie, je vous en fais ce soir la promesse. Nous savons tous que tous les matins en Afrique, une gazelle s'éveille. Elle sait qu'elle doit courir plus vite que le plus rapide des lions, ou sinon, elle finira dans son ventre. Tous les matins en Afrique, nous le savons tous, un lion s'éveille. Il sait qu'il devra courir plus vite que la moins rapide des gazelles, ou il mourra de faim. La morale de cette histoire est qu'en Afrique aussi, quand le soleil se lève, peu importe que vous soyez un lion ou une gazelle, vous avez intérêt à courir. Courir, c'était jusqu'ici le lot de milliers de Dakarois qui, chaque matin, eux aussi, à l'instar du lion et de la gazelle, devaient courir s'ils voulaient arriver à l'heure sur leur lieu de travail ou chaque soir s'ils voulaient embrasser leurs enfants avant qu'ils aillent se coucher. Mais ça, courir, courir derrière le temps, c'était avant le BRT, car ce BRT, opéré par Dakar Mobilité, réduira bientôt de moitié le temps de trajet entre Gedawai et Petersen. Plus sérieusement, ce soir, un vent de liberté souffle sur cet obélisque. Monsieur le Président de la République, sans doute vous souvenez-vous qu'en 2021 déjà, ce vent de liberté soufflait au moment où vous inauguriez le TER de Dakar dont je vous jalouse la paternité. Il s'agit du vent de la liberté, cette liberté essentielle, essentielle à l'homme, juste après celle de penser. Je veux parler naturellement de la liberté d'aller et venir, de la liberté de se déplacer, de la liberté d'aller vers l'autre. Mais, depuis, et pour dire le vrai, pendant vos deux mandats, en seulement dix ans et par amour pour le Sénégal, vous n'avez cessé d'aménager les territoires, tous les territoires, qu'ils soient ruraux ou qu'ils soient urbains. Vous n'avez cessé de vous jouer des espaces, vous n'avez cessé de vous jouer du temps. Je devrais dire plutôt de maîtriser les espaces et de dompter le temps, pour nous donner justement plus de temps et donc plus de liberté. Et ce n'est pas vous manquer de respect, Excellence, Monsieur le Président de la République, mais au contraire vous marquer de la reconnaissance que de vous dire que vous êtes finalement un président bâtisseur, En effet, mieux que tous vos prédécesseurs, vous savez aménager les territoires et raccourcir l'espace-temps. Vous savez mettre en commun les pensées et les actions, les besoins et les moyens. Et ce BRT révolutionnaire, opéré bientôt par Dakar Mobilité, en est la preuve, puisqu'il est une sorte de lien solide qui unit entre de nombreux territoires et quartiers de la presqu'île de Dakar. Mais aussi, parce qu'il permet, je l'ai déjà dit et nous le répéterons tous au cours de cette soirée, de raccourcir les temps de trajet de toutes celles et tous ceux qui l'emprunteront, de les réduire de moitié avec une qualité de service, de confort et de silence absolument inégalée. Avec vous, le Sénégal s'est ainsi enrichi de logements pour tous, d'hôpitaux, d'écoles, de centrales solaires, de ponts comme celui qui arrime désormais notre gambisseur à son Sénégal frère, de routes, d'autoroutes, d'aéroports et de trains, comme celui qui permet aujourd'hui de relier Dakar à la ville sainte de Touba, d'un TER, et ce soir, vous inaugurez un BRT. Vous inaugurez donc un bus rapide transit, ou plutôt, ici parce que nous sommes au Sénégal, un bus rapide de la Teranga. Mais pas n'importe quel des BRT, pas n'importe lequel, pas un BRT minuscule, rikiki, recroquevillé ou racorni, mais un bus rapide de la Teranga moderne et flamboyant. Incontestablement, incontestablement, vous inaugurez le premier BRT électrique du monde et tout bientôt, le premier BRT du monde a fonctionné 100% à l'énergie solaire grâce aux centrales dont la Sénélec, le Foncis et Meridiam sont déjà propriétaires à Telmerina. Car vous savez mieux que personne, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'un pays émergent respectueux de la planète n'est désormais plus un pays où les gens modestes rêvent de rouler en voiture, mais un pays où tous, même les plus riches, utilisent les transports en commun du quotidien. Alors oui, vraiment, ne cachons pas notre joie, ne soyons pas avares de notre fierté, car à l'avenir, les mille collaborateurs de Dakar Mobilité tous recrutés sur la base de compétences avérées, après des tests d'embauche difficiles et des formations exigeantes, et je le dis en vérité sans l'appui d'aucune recommandation, pourront accueillir jusqu'à 3000 passagers par jour à bord de 121 bus électriques et solaires qui desserviront 23 stations et franchiront 44 carrefours sur 18 km entre Petersen et Gedawai, des bus naturellement accessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est une prouesse le Sénégal montre encore une fois aujourd'hui qu'il est champion du monde. Ces chiffres, Excellence, Monsieur le Président de la République, traduisent bien la prouesse technique de ce BRT, unique en Afrique, mais aussi unique au monde, qui va bientôt changer la vie des Dakarois. La vie des Dakarois va donc bientôt changer, c'est vrai, grâce à notre BRT. Un BRT que nous sommes fiers d'opérer chez Dakar Mobilité, car il est le symbole du Sénégal émergent que l'on aime ou que l'on envie, le Sénégal émergent que certains même nous jalousent sur le continent. Mais le BRT ne serait rien. Il ne serait rien sans les stratèges du Fonds 6 qui en sont un peu les propriétaires au nom du Sénégal et qui me challenge, au sein du conseil d'administration de Dakar Mobilité. Sans Meridiam, un fonds d'investissement qui aime l'Afrique et accompagne le Sénégal et qui a mis ses meilleurs experts à son service pour bâtir une concession respectueuse des intérêts qu'il partage avec l'État, sans le CETUD, qui en sera son autorité organisatrice bienveillante mais exigeante, et sans ces mille formidables collaborateurs sénégalais de Dakar Mobilité qui l'opéreront, le feront fonctionner de 5 heures du matin à 22 heures, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Tous, sans exception, mes chers amis, Excellences, Monsieur le Président de la République, mérite votre reconnaissance et vos encouragements. Et comme vous aimez déjà certainement le TER, je suis certain que vous adorerez le BRT. Pour conclure, Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai cité en amorce de mon propos mes frères les car depuis la nuit des temps, ce sont des Lébous qui habitent Dakar. Leurs rois et leurs reines, il y a plus de mille ans, alors qu'ils labouraient déjà la mer, n'auraient jamais imaginé ce que Dakar est aujourd'hui grâce à vous et n'aurait même pas rêvé ce magnifique BRT. Je vois qu'il y a des lébous dans la salle. Mais en le découvrant, ils auraient souhaité, comme nous en rêvons aussi tous, emmener le BRT au-delà de Gedawai. Allez-vous leur donner raison de rêver à un BRT qui aille plus loin J'ai hâte sur ce point, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous entendre. Et puis, enfin, j'ai dit que vous étiez un président bâtisseur. J'aurais pu dire un président visionnaire, car vous avez pensé chaque construction dans le souci de rendre fier le Sénégal, mais aussi et surtout de servir, d'être utile au plus grand nombre, aux femmes, aux enfants, aux jeunes, aux étudiants, aux anciens, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux éleveurs, aux pionniers de la Sénégal Tech, aux sans-emploi, aux sans-abri, aux malades, aux ruraux et aux habitants des quartiers populaires, et j'en oublie sans doute. Vous avez toujours pensé le Sénégal pour les Sénégalais. Ça restera votre marque comme celle d'une émergence conquérante, flamboyante et innovante, mais aussi humaine, car protectrice des plus modestes. Et le BRT en sera l'un des symboles, car vous l'avez pensé pour que le Sénégal en soit légitimement fier, mais aussi et surtout pour qu'il soit populaire, au service de tous. C'est la feuille de route que vous avez confiée à Dakar Mobilité. Je fais ici la promesse sacrée qu'elle sera respectée. En tant que chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous revient naturellement le privilège de crier Vive le Sénégal. Mais laissez-moi seulement, pour terminer mon discours, crier plus avec mon cœur qu'avec ma voix, car si je suis né ailleurs, je défends avec force le rêve sénégalais. Vive Dakar Mobilité, vive le BRT de Dakar, vive les bus rapides de la Teranga, vive Sen BRT, vive Sounou BRT, et parce que Dakar Mobilité est une société sénégalaise, que Sounou BRT est opérée par des Sénégalais pour des Sénégalais, je suis certain que vous aurez à cœur de dire avec moi ce soir des BRTB. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane Volant, président de Dakar Mobility, l'opérateur donc qui sera aux commandes du BRT dès demain. Merci encore une fois. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, le projet que nous célébrons aujourd'hui a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires. Parmi eux, nous avons la Banque mondiale et nous aimerions saluer également les équipes de la Banque mondiale qui sont avec nous ce soir. Et nous allons vous raconter cette belle histoire entre l'Oberté et la Banque mondiale dans la vidéo qui va suivre. au cœur de Dakar, où les rêves dessinent l'espace. Un souffle répond au souhait. Dans les artères de la cité, s'esquisse une nouvelle danse. L'asphalte devient une mélodie, une douce transe. Mille et un destin entrelacés, des opportunités dévoilées. paysage redessiné une respiration profonde. Carrefour des belles âmes, station illuminée par le baiser de l'aube où l'information danse, une symphonie qui enrobe, une harmonie légère, sans barrière ni différence, dans le cœur du collectif, le silence d'une voix, où l'égalité s'éveille, où l'inclusion se vit et se voit, pour chaque âme, en mouvement, une place réservée, des voies cyclables, une danse alternative au tumulte du trafic, plus de temps pour la famille plus de temps pour l'efficacité. Dans chaque pas, dans chaque tour de roue, nous façonnons le récit commun de notre avancée. C'est ainsi que nous choisissons d'ouvrir collectivement le champ des possibles. pour ces belles images qui racontent l'aventure à bord du BRT avec la Banque mondiale. Et nous euh, soulignons d'ailleurs que le BRT constitue le financement le plus important de la Banque mondiale. Et c'est sur ces notes que nous allons remettre la parole à Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, Monsieur Ousmane Diagana. La parole est à vous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci de nous rejoindre. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les gouverneurs des régions, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les préfets des départements, Mesdames, Messieurs les maires et élus locaux, chers collègues de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs, chère population de Dakar. C'est un plaisir pour moi de revenir à Dakar, cette belle ville où j'ai fait mes études universitaires, cette belle capitale du Sénégal, cette place centrale de l'Afrique de l'Ouest, que dis-je Place centrale de l'Afrique tout court. C'est aussi un honneur de participer à la cérémonie d'inauguration de liberté. À cette occasion, je voudrais m'adresser à vous au nom de notre institution qui, suit, qui a suivi particulièrement ce projet dès ses premiers pas car c'est un projet qui est une réponse forte et durable aux enjeux de mobilité à Dakar. Et c'est un projet novateur, le type de projet que nous voulons voir partout en Afrique et le type de projet auquel nous voulons bien entendu voir le nom de la Banque mondiale associé avec. Congestion, difficulté à se déplacer, pollution très préoccupante, entre autres, sont des problèmes que connaissent toutes les grandes métropoles du monde. Évidemment, Dakar n'y échappe pas. C'est pour corriger ces handicaps que vous avez soutenu, Monsieur le Président de la République, une stratégie cohérente favorisant le transport public dans le cadre du plan Sénégal émergent pour continuer de faire de Dakar une ville vraiment attractive, une ville moderne une ville compétitive. Le BRT s'inscrit dans une vision d'ensemble avec des objectifs clairs de développement durable. Il traduit également l'engagement de votre gouvernement et votre engagement personnel, Monsieur le Président, par des actes concrets pour la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des populations sénégalaises, bien entendu, et dakaroises en particulier. Vous le savez, la Banque mondiale entretient avec l'État du Sénégal un partenariat de très longue date dans tous les secteurs, en particulier dans le secteur des transports, transports au service des populations. L'une de nos toutes premières initiatives au Sénégal a été en 1997 de soutenir la création d'une autorité organisatrice des transports, le CETUD, pour réguler et développer l'offre de transport à Dakar, qui était alors essentiellement informelle. Nous avons ensuite soutenu la mise en place du projet de renouvellement du parc de transport urbain, qui a permis l'acquisition de plus de 2500 autobus neufs pour la région de Dakar et d'autres villes du Sénégal, ainsi que le développement de voiries. Mais également, et c'est important de le souligner, l'architecture institutionnelle et de planification du secteur, toutes ces initiatives portent leurs fruits aujourd'hui. En effet, la réalisation du projet BRT est l'aboutissement d'une collaboration forte entre l'État du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers. Le BRT constitue, vous venez de tout à l'heure, Madame la journaliste, aujourd'hui le financement le plus important du groupe de la Banque mondiale au Sénégal, avec 370 millions de dollars américains ça veut dire plus de 220 milliards de francs CFA. Il démontre notre engagement à mettre au profit des États notre savoir et notre expertise pour la réalisation de projets structurants afin de soutenir la résilience, mais également l'adaptation des, villes et des communautés au changement climatique et également soutenir le développement et social des pays. En plus de la Banque mondiale, nos filiales, la Société euh, financière internationale, la SFI, et l'Agence euh, multilatérale de garantie des investissements, MIGA ont également contribué à la mise en œuvre du BRT respectivement en tant que Conseil de l'État du Sénégal pour les négociations du contrat de concession et fournisseur d'une garantie pour permettre aux concessionnaires privés de lever des fonds et pour acquérir, bien entendu, beaucoup d'autres bus électriques. Au-delà des innovations apportées par son infrastructure et sa technologie, et sa technologie zéro polluante, une première en Afrique, ce projet est avant et pour tout un projet qui se focalise sur les populations et qui est au service de l'humain. La ligne pilote du BRT a été conçu et mis en œuvre pour être accessible de façon sûre aux femmes, aux jeunes, aux personnes à mobilité réduite et aux ménages modestes. Un tarif réduit est prévu pour les couches vulnérables à travers une subvention de l'État avec le concours de la Banque mondiale. Le choix de son tracé a également été fait dans le but de limiter les impacts sociaux et environnementaux sur les populations. Ce projet, je le disais tantôt, a en effet pour objectif de servir les populations. À travers sa mise en œuvre, c'est l'accessibilité des populations dakaroises aux emplois qui sera facilitée. Et les populations ici de Dakar, surtout celles de Guéjawaï et l'autre département, pourront avoir accès à plus de 70 000 emplois additionnels. L'exploitation permettra à terme aussi de recruter 1 emplois directs, dont 35 pour les femmes et 50 proviendront des communes traversées par le projet. Au-delà de l'infrastructure, les populations restent encore et toujours au cœur du projet. Le BRT a ainsi également soutenu plusieurs initiatives sociales et éducatives telles que l'équipement en matériel informatique de salles de classe à Pékin et à Guédiawaye, ou la réfection de toilettes dans les lycées. Il a également permis la création d'un master interuniversitaire en transport et, mobilité numérique en partenariat avec les écoles supérieures polytechniques de Dakar et Thiès, l'école supérieure multinationale des télécommunications et le CETUD. Nous savons, je l'ai entendu à plusieurs reprises depuis cet après-midi, que ce projet n'est qu'une étape d'un vaste programme de modernisation du secteur de la mobilité qui doit inclure la restructuration du réseau de transport public et la réalisation de plans de mobilité urbaine durable à l'horizon 2035. Je voudrais vous dire et vous assurer, Monsieur le Président, que la Banque mondiale reste engagé à poursuivre la collaboration et le dialogue avec le Sénégal pour faire de la métropole de Dakar et les villes secondaires du Sénégal des références en matière de mobilité urbaine durable à travers également le financement de nouveaux projets à venir. À ce stade donc, de mon propos, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je dois rappeler que ce projet a pu bénéficier en plus de l'appui de la Banque mondiale d'une contribution significative de la Banque européenne d'investissement, de l'Union européenne. Donc je voulais saluer euh, le partenariat que nous avons avec ces institutions et ces organisations internationales. Je voudrais également saluer le travail de toutes les équipes qui ont permis ce projet de démarrer et d'être là où nous sommes aujourd'hui. Les nôtres comme les vôtres Rien n'aurait été possible sans leur engagement. Permettez-moi donc de citer parmi elles le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar et l'Agence des travaux et de gestion des routes, qui sont bien entendu sous la tutelle du ministère des Infrastructures. Et je voudrais saluer Monsieur le ministre Mansour Faye, qui depuis le début du projet travaille sans relâche pour la livraison d'une infrastructure de qualité au bénéfice de tous. Je voudrais enfin remercier l'opérateur privé Dakar Mobilité qui a contribué au déploiement de cette première africaine de BRT électrique. Et je sais que puisque euh, cet, événement est en train d'être suivi en direct dans beaucoup de pays du monde, euh, j'ai déjà reçu énormément de captures de vidéos de Washington, de Paris et d'autres villes africaines que nous couvrons, que dès la sortie de cet événement, des demandes ne tarderaient pas en provenance d'autres pays et c'est à nous de trouver les moyens de répondre car euh, la transformation, euh, nous, nous, voulons la voir partout en Afrique. Et il est important que l'Afrique soit regardée de manière positive et qu'on démontre, à l'instar de ce projet, que des programmes structurants sont capables d'être conçus par les Africains, mis en œuvre par les Africains, et c'est ainsi que le développement sera une réalité. Je voudrais donc, euh, Monsieur le Président de la République, pour finir, vous remercier pour votre engagement personnel et votre sollicitude constante. Euh, toutes euh, mes, félicitations à toutes les personnes qui se sont, impliquées dans ce projet pour la beauté et la qualité de l'œuvre. Je réitère donc notre engagement à appuyer le gouvernement du Sénégal pour la mise en œuvre de projets structurants, facteurs clés de développement économique durable et inclusif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président de la Banque mondiale, Monsieur Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci pour votre engagement. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, le BRT est aujourd'hui célébré par tous. Les usagers, les partenaires et les artistes n'en finissent pas de chanter le projet que nous inaugurons aujourd'hui le trio Bidéo Boubès, les talentueux frères, ont dédié donc une excellente chanson au Berté, Sounou Berté, et nous allons les inviter sur scène, mais c'est sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sénégal transport bi moomeel la nga la waa ni ko sàmm askan wi déglu leen ñu coono jeex na lu bees ñëw na liñ doon xaar léegi teew na BRT